Qu'est-ce qu'on entend par les pires formes de travail des enfants Par pires formes de travail des enfants, on entend les quatre grandes questions qui ont été évoquées par la Convention 182 sur l'élimination des pires formes de travail des enfants adoptée en 1999 par euh, l'Organisation internationale du travail à l'occasion de la session de Genève. dans les quatre éléments dont je vous parle tout à l'heure, il y a euh, les formes d'esclavage, il y a l'utilisation, le recrutement ou l'offre des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. Il y a l'utilisation, le recrutement ou l'offre des enfants aux fins d'activités illicites, donc tout ce qui est interdit par la loi, trafic de stupéfiants, etc. Et, enfin, les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions dans lesquelles elles sont exercées, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant. Voilà ce qu'on appelle travail des enfants à distinguer du travail de l'enfant qui peut ne pas être travail des enfants dans la mesure où si l'enfant travaille pour aider sa famille, si l'enfant travaille pour euh, se faire un peu d'argent, mais tout en restant dans un cadre où sa vie n'est pas mise en danger, il n'est pas dans ce cas-là cité par la Convention 182, eh bien, voilà précisément ce que nous, nous appelons travail des enfants. Et que dit les conventions que le Niger a ratifiées par rapport à ça Quelles sont les sanctions réservées aux auteurs Bon, vous savez, la convention, elle, quand le pays l'adopte, le Niger l'a adoptée en 2000, euh, sont traduits dans les textes. Et les textes au Niger, principalement, vous avez deux textes qui prennent en compte cette dimension du travail des enfants. Mhm. Vous avez le Code du travail, le Code du travail est une loi que l'Assemblée adopte dans laquelle elle légifère par rapport à euh, comment, dans quelles conditions on peut faire travailler les enfants et dans quelles conditions il est interdit de faire travailler les enfants. Il y a aussi le Code pénal. Le Code pénal, vous savez, c'est un texte de grande portée qui euh, balise pratiquement tout ce qu'il y a comme euh, possibilité de méchanceté ou d'exploitation qu'on peut être amené les uns et les autres à appliquer sur les enfants. Donc il n'y a que ces références-là principalement qui euh, prennent en compte. Mais il y a aussi une loi qui a été adoptée par le Niger qu'on appelle la loi sur l'esclavage. Je crois que ça a été adopté entre 2003 et 2005. Cette aussi loi criminalise l'utilisation des enfants dans le cadre euh, de l'esclavage, par exemple. Mais maintenant, tout ce qui est illicite, euh, c'est les lois qui interdisent les activités illicites qui condamnent les personnes qui utilisent les enfants pour le faire. Ce sont les lois qui interdisent la, prostitution, qui condamnent les personnes qui utilisent les enfants à des fins de prostitution. Donc la loi est là pour encadrer, même au cas où il doit avoir travail de l'enfant, par exemple, au Niger, le travail de l'enfant est accepté à partir de 14 ans. Le Code du travail balise les conditions dans lesquelles on doit faire travailler les enfants, les lieux dans lesquels on peut faire travailler les enfants, les heures auxquelles on peut faire travailler les enfants, les conditions dans lesquelles parce que l'enfant, on ne peut pas lui faire porter des charges lourdes, on ne peut pas le mettre dans des euh, travaux qui peuvent représenter un danger pour son évolution physique. Au Niger, quelles sont les pires formes de travail des enfants qu'on rencontre le plus ah, Vous savez, les pires formes de travail des enfants qu'on rencontre au Niger, nous, en tout cas pour ceux qui nous concernent principalement, on s'est beaucoup plus penché sur le travail, l'exploitation dans les mines aurifères, puisque là-bas, on fait travailler les enfants dans les trous, on les fait travailler pour piler ou pour concasser le granit qui est extrait. Au niveau des abattoirs, où les enfants sont utilisés à des heures indues et euh, devant des situations qui ne sont pas être des situations dans lesquelles un enfant doit être, notamment euh, les animaux qui sont abattus, du sang, tout ça, mais aussi dans le cadre de la mendicité la mendicité en elle-même, elle, représente une sorte de, un crime. le code pénal euh, criminalise celui qui pousse un enfant à la mendicité. Mais également, euh, vous avez de nombreux cas euh, qu'on peut peut-être difficilement énumérer ici, mais qui font partie des pires formes du travail des enfants, surtout que ça procède de l'exploitation dans le cadre de, du trafic. On déplace un enfant de son lieu de résidence, on l'amène ailleurs, on le fait travailler nuit et jour dans des concessions parfois enfermées et on exploite les fruits de, euh, de ce travail-là. Et qu'est-ce que vous faites comme action pour empêcher cela Les actions sont multidirectionnelles. La première direction, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, il nous arrive de former les représentants des travailleurs, il nous arrive aussi de faire des sensibilisations. Un peu comme nous sommes aujourd'hui avec vous, on a marqué notre disponibilité à parler dans les radios pour dire voilà ce qu'on ne doit pas faire aux enfants. Et cette sensibilisation, on l'a fait de proximité, dans les quartiers, on l'a fait partout où c'est possible. On l'a fait aussi à travers les réseaux sociaux, puisqu'on anime des, des, blogs, on anime également des groupes de discussion pour que encore mieux les enfants comprennent. Une autre direction qu'on prend aussi, c'est celle de l'État. L'État, c'est lui qui prend les mesures, on l'accompagne chaque fois qu'il faut réfléchir sur quelle euh, loi il faut prendre, quel euh, plan il faut faire, quel élément il faut intégrer, quelle expérience nous avons, puisque nous avons des ramifications, des relations avec des ONG qui sont à l'extérieur, avec lesquelles nous échangeons, ou à travers euh, nos discussions dans les réseaux sociaux, ou à travers même des réunions qu'on arrive à faire avec eux. Nous travaillons également dans la direction, par exemple, des parlementaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser les parlementaires pour disposer d'un corpus de parlementaires pour les droits des enfants. Pour que ces parlementaires-là soient les porte-voix de tout ce qui est loi en faveur de la libération, euh, euh, de l'enfant. Tout ce qui est en faveur de, la, de booster la scolarisation des enfants. Tout ce qui est en faveur de la protection sociale des enfants. Mais nous avons aussi une direction qui est importante, celle de d'être auprès de l'État pour lui dire écoute, tu as oublié de faire ça, ou ça là, c'est pas bien fait. Ça là, il faut, je vous rappelle pour que vous le fassiez. Donc, c'est ce qu'on appelle les actions de lobbying auprès de l'État. Je vous remercie, Monsieur Mamadou. Merci à vous.